Thank you. Le programme que je, vous soumets est articulé autour de trois grands axes. La satisfaction de la demande socio-économique pour toutes les couches de la population, la requalification de l'espace public et le rééquilibrage de l'environnement urbain, la réalisation d'infrastructures urbaines innovantes pour moderniser l'offre de service public local. fii ci Ndakaaru suñu mbokk yu bari bu ñu génnee àddina seen njaboot day tumuranke dañuy mujj jaay kër ga dem dëkki fu sori Dakar te waa Dakar lañu ma bëgg a def benn projet boo xam ni entre la ville de Dakar, les partenaires financiers et les familles mairie de dox cette Nous Nous avons na ñu bari bu ñu accès à des financements ou à des crédits au niveau des banques pour faire des selon les quartiers damay jël exemple famille de deux centenaire borom kër gi génn àddina damay jël njaboot bi fexe ba tabax fa benn tour boo xam ni dana wala wala wala étage. famille bi ku nekk man fa am appartement ñu jaay une partie fay crédit bi en plus de la stratégie de consolidation des efforts de la et de maîtrise de l'assiette fiscale notre programme privilégie le recours au marché financier pour soutenir la réalisation de l'ambition que nous avons pour la ville capitale. L'atteinte de ces objectifs de notre programme passe par de tels modèles, comme j'ai eu l'air à le faire en expérimentant en 2008 le premier emprunt de la ville de Dakar auprès de l'Agence française de développement. mënoo c'est à mon ressources humaines you qualifiées vous motivées également te loolu danaa ci jóg dox ko ak waa ville de Dakar ndaxte ba ma fa nekkee gisoon nañu fi ma leen yóbbu woon ba ba nga xam ni résultat yi ma amoon Dakar Ville Santé est une de mes grandes priorités. Notre programme prévoit la construction de grands centres spécialisés dénommés Centre municipal des spécialités médicales de Dakar. J'avais déjà en 2009 décidé de mettre ces centres de santé à un niveau d'hôpital niveau 2 et le centre de santé des parcelles assainies était inscrit dans le budget de 2009 pour l'extension qui en ferait un hôpital de niveau 2. Le meeting de Paris, Berlin, Bruxelles, parce que j'en ai assisté à beaucoup, c'est des moments forts pour les villes. Je crois que Dakar devra, dans ce domaine également, reprendre sa place et se replacer au niveau des grandes capitales internationales. Nos lieux de culte également seront davantage soutenus, accompagnés pour offrir de meilleurs cadres d'office et de manifestations religieuses. Je crois que Dakar a montré par le passé déjà la voie en initiant beaucoup de projets. Euh, Dakar Ville en fait partie. Et en 2009, nous avions laissé à la ville de Dakar un dépouillement euh, d'éclairage public solaire pour l'intérieur des quartiers. De grands investissements urbains. Il s'agit d'infrastructures modernes et innovantes dans les secteurs du commerce et des affaires, des centres commerciaux, de l'environnement et des cadres de vie, des espaces publics et déjà aménagé dans les 19 communes d'arrondissement, de l'éducation, la création de médiathèques scolaires, de sport, modernisation des stades municipaux des communes et du stade Ibomar Et le stade Ibomar a une réserve foncière de plus de 20 000 mètres carrés. Et je voulais, sur cet espace, construit des arènes municipales. Cet espace va être dédié au centre spécialisé, et au centre des, des, des spécialités médicales de Dakar. Une nouvelle mission centrée sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens sera donnée à la police municipale des brigades spéciales mises en place en collaboration avec le système de surveillance privée existant pour mailler tout le périmètre de la commune de Dakar, qui sécurisera les données et les archives de la municipalité au profit des citoyens, étudiants et chercheurs. Il en sera de même pour le centre d'état civil principal, qui sera entièrement innové, numérisé et connecté au fichier central. Concernant l'accompagnement social de nos populations, plusieurs projets sont prévus pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap afin de booster l'employabilité et de préserver leur dignité à travers l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation socio-économique des femmes. Nous prévoyons la mise en place de nouveaux mécanismes de financement et de renforcement de l'existant pour promouvoir l'économie sociale et solidaire, facteur essentiel de cohésion sociale et de stabilité socio-économique de nos populations. Remettre en place le crédit municipal et tous les projets qui étaient en appui pour les personnes démunies vivant dans le périmètre de la commune de Dakar. Nous allons créer des infrastructures marchandes disposant de tout le confort nécessaire pour un travail décent. Ces centres commerciaux seront implantés dans l'ensemble des 19 communes de la ville de Dakar. ¡Vaya,